alaikum, je me nomme technicien supérieur auto responsable euh, technique auto. Bon comme tout les euh, travailleur on a toujours eu des des cahiers de charge bien garnis avec des revendications mais le thème de cette année c'est le bien-être de tous. Si on parle de bien-être de tous on parlera de bien-être surtout des ouvriers des travailleurs qui sont au bas de l'échelle comme on l'a toujours dit, le thème de, de année, c'était le bien-être. Comment faire pour au moins les travailleurs voir leur compte au niveau des entreprises, au moins que leur panier soit garni, au moins que les, soucis du quotidien soient éradiqués. C'était le thème de cette année avec la synthèse et la Sainte-Iran en collaboration. C'était le thème de cette année. Maintenant, au niveau de Sainte-Iran, comme chaque année, après le thème de synthèse, il y a aussi le thème en interne. On a, eu au moins à faire promouvoir le projet de formation école entreprise comme l'a lancé M. le Président tout récemment, ça fait maintenant deux à trois mois. Mhm. Nous sommes sur cette lancée, comme nous sommes en phase avec eux, on est en train, comme vous le voyez, je suis en, t-shirt avec en collaboration avec l'école, Saint mhm. il y a aussi CFPT, Sénégal-Japon et aussi il y a CEP de Thiès. Mhm. Nous sommes en collaboration avec ces écoles de formation. Ils nous, envoient leurs étudiants et on les forme ici. C'était le thème de cette année, promouvoir le projet de formation école-entreprise et le thème de synthèse, comme tout un chacun, comme tous les années. Maintenant, ce thème, cette année, c'était au moins le thème de bien-être dans les sociétés. de toute manière, nous sommes en phase en parfaite collaboration avec la direction au niveau de Seigneur tout. Les années passées, on a eu pour avoir un syndicat, on a eu d'énormes problèmes. Mais ça fait maintenant trois ans, notre durée de mandat, nous sommes, à la troisième année, cette, année. Mais à chaque année, le cahier de l'audience, on le pose sur la table et après, ce sera l'ordre de discussion on sera sur la table de discussion tous les ans. Après le premier on prendra point par point et on va en discuter pour essayer de trouver des solutions. depuis trois ans, ça a marché. On est en train de faire de grands pas. au moins, on a fait, si on n'a pas eu 80%, on est à 60, 75% de nos revendications. Donc on peut dire que nous sommes en phase avec notre, direction euh, pour marcher bien. Pas totalement, le n'est jamais satisfait. Maintenant, si on a 25, on, peut avoir 50 ou, 100 francs. C'est l'idéologie des, travailleurs, c'est l'idéologie de, tout un chacun. Tout un chacun voulait, si tu as une voiture aujourd'hui, de avoir une maison, de la famille, au moins avoir au moins perspective de développement

mu nekk loolu mu nekk suñu tam mhm. suñu digganteeg suñuy patron léegi suñu digganteeg suñuy ñu ngi koy dox am na benn cahier de charge bi ñuy def mhm. jox war ko ko jëbal am bu nekk mhm. dafa am lu mu lu muy mbébét ku nekk sax dafa am que kenn ku nekk tey boo tollee fii tey suba da nga bëgg a toll fa fa ko gën a na lu ñu ciy def mais am na lu des

parce que booy boo dee ouvrier bi da ngay dangay liggéey yaa ngi sonn yaa ngi ci naaj bi yaa ngi dem yaa ngi yéeg yaa ngi wàcc yaa ngi yëkkati lu diis yaa ngi teg kon boo liggéey si wee war ngaa bàyyi sa kër loo xam ne doo sa xel dina ci kër mhm. ci loolu noonu daal la ñu jox pour les avancements yenn ak euh, augmentation de salaire pour suñu bien-être suñu suñu dundin gën gën a gën a jàppandi